Sur 10 cas, il y a au moins 8 dans lesquels les enfants sont dans des situations difficiles. Vous allez voir des traces de coups sur les enfants. On a eu beaucoup de cas où les enfants sont carrément à lever de l'école de fois parce que les enfants là sont soumis à des travaux domestiques. Je n'irai pas jusqu'à esclavage, mais quand même, c'est des travaux de fois qui sont pénibles et qui ne sont pas des travaux que des enfants de leur âge doivent faire. L'âge varie de 9 ans à 15 ans.